leen ziar Lendorsen sargal euh, D'accord, donc vous euh, dites nga que euh, une génne production bu ñuy pourquoi bonheur. pourquoi bonheur en fait avec tous ces temps qui courent il faut qu'il y ait qu'on passe qu'on pense au bonheur que bon si si si si si vous trouvez ça fait que sa d'abord mec en bonne santé c'est ça le bonheur nga ñëw fekk say xarit nekk ci jàmm di bégee c'est ça le bonheur euh, nga ñëw sentir que sa jabar elle est choyée euh, yooyu muy bonheur donc bonheur aussi de vivre dans un monde de paix un monde où il y a la santé, où il y a la paix. C'est pas évident. Bon, la paix, c'est quelque chose. Bon, ramener ça sa culture. Faut que nous ça sonne. Donc, moi, t'as, moi, moi, woy woy bi euh, di expliquer que c'est quoi le bonheur mm. d'accord mm, mm. donc euh, la paix euh, sociale sa famille nous avons la inspiré à ce que avons le bonheur ou le fait que corona bi euh, confinement bi puisque sommes au Sénégal et tout mm-hmm. ça peut-être que nous avons ko de choses et tout ça inspiration ouais, effectivement c'est un ensemble de choses fait que nous def lu quoi euh, def euh, morceau donc ci biir morceau euh, ma y a aussi ci dafa ci je parle de la fierté africaine qu'aujourd'hui qu'on doit être fier de notre continent fier de notre pays elle a nourri le monde il est temps qu'elle nourrisse je demande à ceux qu'on soit fiers euh, de notre continent, de notre pays, euh, de transformer ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils ont a mis à notre disposition. Mm. Donc euh, il faut qu'on transforme. Donc c'est c'est ça que je prône mon laa Wai way ko ci CD bi nga xam ne dans sous peu donc tu biir c'est le cette chanson le bonheur je j'étais inspiré par plein de choses comme moi. bon quand tu vois que ces haris, ils sont joyeux tes amis joyeux ta famille en bonne santé euh, ton entourage être dans un monde de paix parce que santé de bokk ci jàmm quoi donc euh, koy ñaan que cette paix demeure quoi que sa santé revienne et que c'est pas évident, il faut, il faut, il faut travailler, il faut travailler, il faut, quoi, il faut euh, prendre le temps d'apprendre, quoi, il faut apprendre, nit dafay euh, nangu gëstu nangu jàng nangu xam-xam. Mm d'accord donc euh, Bonheur mu nekk euh, loo xamante ne dafay lancé album. donc est-ce que mën nga ñëwaat ci album bi euh, les thèmes yi nga xamante ne développé nga ko ci biir album bi. bon ci thème ci album bi j'ai développé plusieurs thèmes où voilà j'ai rendu hommage à Sunjulu le maître qui est mon père qui nous a légué qui nous a transmis cet art qui est notre métier donc nous koy sargal aussi ci à travers ses débuts di euh, euh, aussi euh, qui qui a été l'un des il fait partie des pionniers parce que bon avant moi il y avait son père qui depuis 1931 a représenté le Sénégal en, Europe après a ñoo top c'était la première diplomatie africaine en fait donc, nous avons prôné les indépendances des pays africains depuis dans les années 1948. Euh, voilà, je j'essaie de d'inspirer, de, de, de, de, rappeler euh, tout ce qu'il a fait euh, à travers son art pour notre continent, pour notre pays et tout ça donc euh, comme ni ko waxee euh, Sunjulu Sissoko mi nga xamante ne moom mooy euh, sa papa moom moo la inspiré nga dugg influencé nga dugg si li nga xamante ni musique. voilà tout à fait parce que bon comme ko waxee nous on a on a fait le cycle normal on a été à l'école dem nañu fii liggéey euh, comme j'ai été euh, agent de la caisse de sécurité sociale, euh, tous ses amis anciens et actuels m'ont du, au passage. Et puis, après, tu nous nouveau comme on a mën son waxee est famille griot artiste parce que dit il est griot et artiste parce qu'il faut être griot sans être artiste quoi lui il est griot artiste donc c'est art qu'il nous a transmis en faisant ça, on a toujours vu faire des choses, ça nous a inspiré. Donc on essaie, on a toujours essayé de concilier les deux, le travail euh, de l'administration et la musique, mais à un moment donné, on a choisi de, continuer cet art de la musique. Moi, nous gagnons à du euh, continent bio un continent ñu nekk un aussi comme étant des ambassadeurs du Sénégal parce que ça y est, yéegee ci on vous dit aussi Sissoko du Sénégal donc euh, on a toujours été là pour le pays mosuñu ko dog quoi mm-hmm. Ah. L'âme nga retenir ci moom taille Oui, euh, mon père, bon, il est grand et je sais que bon, nous, on a, en sillonnant le monde, on, on se rend compte, voilà, qu'il a fait aussi des choses un peu partout d'où les gens se rappellent de lui. Euh, dans, dans y nous et après le concert, quelqu'un vient te dire, voilà, j'ai connu ton père, je l'ai suivi tel ou tel, dans tel ou tel lieu, voilà, il a fait ça et ça. Euh, tu as un peu tu bout de l'histoire de, tout ce qu'il a fait, quoi, à travers le monde, sur de voilà. Donc c'est comme ça qu'on a compris que voilà, il était voilà euh, international, il était quelqu'un de, de, bien. Et quelqu'un de bien, il faut, voilà, il faut, il faut faire euh, il faut suivre ses traces quoi. Euh, il faut faire euh, les mots def nga jéem def lu mel noonu voilà wala nga topp ko daal. De toute façon, ce n'est pas évident. <laughs> C'est un lourd fardeau. Ouais. <laughs> D'accord. Euh, donc, euh, euh, aujourd'hui, 30 ans de carrière. mon nga ñëwaat un peu ce ce, parcours, c'est-à-dire quand nga commencé ça amour musique, etc. Aujourd'hui. Oui, ça m'a amour musique a quoi. Comme je suis né dedans, je suis, d'une famille de griots, de musicos, donc c'est c'est depuis très longtemps là on m'a expliqué là peu, mais bon euh, j'ai fait mon cycle j'étais à l'école mais en même temps il y avait tout le temps de la musique à la maison du way du peg du fête du peg le dal depuis notre jeune âge après on a suivi le cycle normal on a essayé de travailler comme on l'a dit après euh, on faisait les deux Bon, des fois, on se couchait euh, à 5 heures du matin pour se relever le lendemain, deux heures après pour dem après tout ça c'est pour le pays quoi mais mec euh, en même temps du dans l'administration après tu euh, aussi euh, pour tout ce qui aiment ce que tu faisais avec tout ça mec tu bon c'est comme ça qu'on a fait on a fait on a fait des festivals ici dans le pays on a fait un peu le tour du, du, du pays et euh, on a fait plein de choses plein de concerts musique et tout et bon, à un moment donné, tu on a toujours fait de la musique. Ici, d'ailleurs, bon, je faisais le boulot et la musique. Et depuis que je suis sorti euh, du Sénégal, j'ai fait que de la musique. Pour maintenir comme là, tout ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est grâce à cette musique, euh, cette chorale que j'ai hérité de mon père. D'accord. Euh, donc, tu as, définir cette musique c'est une musique, euh, c'est mon produit, quoi. Euh, c'est quelque chose que, que j'ai mis en place, quoi. Donc, euh, style de musique c'est la musique africaine mandingue, roots, world. parce que je, je, joue dans d'autres continents et que c'est bien euh, accepté. Et voilà, je m'en sors. Et Comment le le une musique comme toutes les musiques parce que tout ça c'est le do façon mi la si do ci la quoi mm. donc maintenant c'est les diagrammes et tout ça les styles parce que dans bëri euh, on a fait ce qu'on veut la chorale elle est complète quoi On mm-hmm. peut faire ce qu'on veut, on peut faire du, jazz, euh, du, reggae, euh, de la soul music, du malach, du le groups, tout ça, quoi. Donc, on a fait tout, quoi. Comme c'est la musique en général, nous, sommes des musiciens, on fait de la musique. Ok, vous êtes basé à l'extérieur, vous euh, avez pas mal de festivals, voyagez partout dans le monde. Est-ce que le Sénégal, euh, le Boubar, comme musique musiques, nous consommer à l'extérieur Bon, oui, je peux dire que bon, euh, c'est faut toujours élargir le réseau, quoi, parce que sans arrêt, c'est ton boulot sans, répit, quoi. Il faut laisser rien au hasard. Hein? Donc, c'est, il faut être au taquet, quoi. C'est ça, c'est tout, tout, est communication. Tout est communication. Je n'ai Europe, bon, ça fait plusieurs années que je suis parti d'ici, quoi. J'ai fait des allers-retours, en fait, mais bon, je suis beaucoup plus là-bas qu'ici, quoi. Mais là, euh, je, je me rapproche beaucoup plus euh, ici, parce que, bon, voilà, à un moment donné, il faut transmettre ce que vous a légué Donc, tu, tu, tu beaucoup ni euh, en ce moment, faire un comeback et tout ça, quoi. ok donc comeback nan nga album bi et puis a titre lay il y a dix titres il y a dix titres. Euh, on a prévu de faire ça d'ici la fin de l'année. Mm-hmm. Et puis, on a prévu de faire un grand mémorial sur Sundulu, Sissoko, euh, l'année prochaine, en 2022. Quoi. On bon, avec euh, tous ces événements qui sont passés, on a décidé de faire des choses, de faire des concerts et tout ça, faire un, tribut, un, gala pour Sundulu, dans eh, ci année bii quoi au mois de mai quoi 2022. D'accord. Donc, promotion, La euh, ah, promotion, je vais mettre tous les acteurs, hein, parce que c'est la communication, il faut... Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, quoi, il faut... Il faut communiquer, il faut faire la promotion, il faut faire le tour, il faut euh, euh, intéresser tout le monde, essayer de les le faire participer dans, pour que ça fonctionne, quoi. Parce que voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui doit fonctionner, qu'on doit faire bien, et puis pour le faire bien, il faut voilà, il faut ça, quoi. Il faut la communication, il faut mettre toutes les parties, quoi d'accord euh, donc euh, avant-hier nous euh, y ñàkk ki nga xamante Atiso mon nekkoon Ben guitariste bu j'espère que vous avez eu la chance de le connaître. Oui, Patlin Atiso Desane oui je l'ai je l'ai connu ce grand parce que bon nous sommes tous des Sénégalais il a vécu ici avec l'orchestre Baobab et puis j'ai eu la chance de le rencontrer Moi, s'est ñoom Issa Cissokho dañu bokkoon festival bu ñu naan Africa euh, de 10 quoi, et on a bien rigolé euh, avec grand Issa Sissoro avant que nous gagnions mon euh, autre. Euh, notre monnaie comme Fofu, c'était euh, dans, dans le sud de la France, quoi, euh, à, Tajar, quoi, pour le midi disait. Mais mec, nous, quoi, ramené, il a beaucoup apporté à la, à la musique, la musique sénégalaise c'est aussi l'un des pionniers, euh, figure, une très euh, grande figure euh, de cette musique, quoi, qui a aujourd'hui, nous, on l'a arrêté, quoi, on a arrêté de cette musique, parce qu'ils ont joué, on était encore jeunes, ils nous ont inspirés, donc on peut que du ñaata album nga génné et puis euh, ñaata temps la lay jëlal pour nga bind benn album. avant ah bon, hmm, bon, on a, on a plein de choses. On a encore ci ci ci boîte bi y en a parce que dañuy woy dañuy toog di inspiré di woy dañuy woy suñu liggéey la dañuy woy di woyantu xam di woy di woyantu di bind di teg di enregistré di teg à un moment donné on sent que bon il faut faire ça mais. Euh, on est encore dans la boîte, quoi. Parce que mon père, c'est le premier qui a, été honoré à l'assassin avec 52 œuvres. Donc, tu 52 œuvres, tu peux en faire ce que tu veux. Depuis que de Poco, tu peux, ça peut t'inspirer parce que toujours est-il que dans les, euh, dans les nouveaux il y a un peu arrêté mais nga aussi jël fi nga xam ne fi nga yemale affaire continuer ko donc c'est une continuité quoi une continuité de visiter continuer d'accord mm. donc tey soo waroon def li nga xamante ne mooy bilan trente euh, trente ans de carrière lan lay bon trente ans de carrière bon c'est euh, je dis que bon positif parce que je suis encore là et puis euh, je sens que j'ai pu réaliser certaines choses bon, en gros, voilà, je n'ai pas fait de tort, euh, je me dis que ça va, quoi, je continuer et que bon, je tout ça positif, quoi. Je remercie le bon Dieu. Vous avez eu mm. des problèmes euh, durant votre carrière, des difficultés que vous avez eu à vivre ben, Ici, même s'il y a eu des difficultés, euh, comme disait mon père, les artistes, c'est pas évident, quoi. Il n'a jamais senti être dans, au fond du tout, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils sentent que, ah, il est, tel instrument, alors ça dégage l'affaire. Donc, difficulté, voilà, c'est difficulté de la vie, bon, qu'on peut transcender, et puis euh, que ça continue. Mais ça te casse pas, quoi, ça te fait pas baisser les bras, quoi. Ça te forge. Il y a une relation euh, avec l'artiste euh, sénégalais euh, bon, bon, le bon temps ah voilà, on se retrouve, c'est bien, je connais euh, les musicos, ça ça m'aime les ni ça am di petit lañ ni yàgg nañu ni nañu ñi jëflante nañu donc euh, voilà c'est on est dans de bons termes quoi ça ça se passe très bien santé voilà bonjour bon on peut parler euh, quelques voilà des fois il peut nous arriver de faire des choses ensemble donc euh, voilà euh, nga fait un euh, featuring avec ki di Ngoné Ngoné Ndiaye hmm. donc yan collaboration collaboration bi nan la ñëwé La collaboration euh, depuis Paris, quoi. On s'est rencontrés à Paris. Moi, je, je, je l'ai rencontré, je l'ai connu à Paris. Bon, à travers les médias, puis on s'est connu à Paris. Mais le quand on s'est rencontrés à Paris, après, fini les bon, nous, marié fille et tout ça. Et pendant ce temps, il y a ci le mouvement tout mouvement musique de quoi. Quand j'étais venu la dernière fois, c'était euh, dans le but d'enregistrer. C'est à euh, Paris, et après nos filles disaient, après euh, on a fait les choses. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça continue. nous, on a passé de très bons moments, on a fait de bonnes choses, on a fait des concerts à Paris aussi. Un, un disque ensemble qu'on aimerait aussi sortir un jour, qui est encore dans qui est toujours dans la boîte, quoi d'accord donc vous euh, ngeen marié euh, après il doog a def euh, featuring c'est ça. oui oui on a fait on a fait ça on a fait featuring mais daf ñu fekk ci Tibir, c'était un mouvement quoi. d'accord donc Tibir, biir musique après ngeen doon fait, après un ngeen de mariage bi ñëw après un divorcé et tout ça. il une relation ngeen am. Oui, c'est une relation c'est très gentil, très correct quoi. Donc euh, voilà, ça se passe très bien entre nous. Hein. On s'appelle, on, se connecte, on se voit, ah, c'est bien quoi, ça, ça, fonctionne quoi. Ouais. Ça, mooy ça est projet. Bon projet même le la que je et faire des choses ici euh, pour mon père aussi euh, le maître. Il faut que Sénégal aussi se rappelle que même Seigneur il il bien de honoré. Au Sénégal on dit pincez tous vos corps. donc ça c'est quelque chose à ramener. il faut que qu'on se rappelle de ça quoi on demande aussi qu'on inspire les gens qui se rappellent que voilà c'est des pionniers aussi qui a qui œuvré pour notre continent notre pays notre Sénégal est-ce que vous nga un peu ces relations avec le Seigneur ne avec euh, ce défunt père. oui euh, c'est une relation euh, oui c'était euh, une relation sincère Seigneur, c'était un artiste parce que c'était un homme de culture donc il aimait cette part. art quoi bon ñoom de si ci ay affaires yu bëri doon di def à l'étranger et tout comme nous avons ils étaient déjà là, avant, nous avons prôné pour les indépendants des pays africains, ak ñoom kay dafa départ. d'ailleurs foofu ci occasion boobu sax en 48, qu'il le euh, corps de corail parce que corde de corail c'était un boyau de cheval après écran de cheval euh, qui est der bi lañ ko doon euh, defaree der bi ñu koy fooree mu lañ après, vie euh, Daoko, mon supporté euh, supporte vie. Donc, du coup, dans sa Casamance natale, il avait vu les pêcheurs. Avant, ils pêchaient Mohalamiti. Ils pêchaient, ils vont euh, remplacer corps de corail, quoi. Donc, c'est comme ça, ils ont commencé avec un cheval. Après, mon avons Nilon Donc, corail, nous avons nylon. C'est grâce à ce maître, chisoko, mon kodef que Kora bi euh, ci def euh, dafa am solo daf ci def gandi di avancé waaw moo tax euh, war nañ di ko di ko sargal di ko fàttaliku moo bon je je suis encore là pour inspirer gars quoi. <laughs> d'accord lan mooy sa dernier mot. ah mon dernier mot c'est je demande je suggère aux jeunes qui qui prennent le temps d'apprendre quoi il faut apprendre des choses am yiw am teggin am yar c'est très important ni da ngay am yiw am yar am teggin am xam-xam donc xam-xam kon dang tay sako quoi da nga koy jàng il faut prendre le temps d'apprendre qu'il faut aussi être fier de ton pays quoi euh, offre sa richesse cette richesse là prends-la et transforme-la waaw euh, loolu am lu mo bëggoon wax euh, mbokk internet est-ce que mën nga ñu may benn acapella